affaire sexualité ngay wax ak sa dom surtout jigéen bu tollee ci yenn âge yi nga ngeen bañ a nëbboo nga koy expliquer yu bari mu xam ko comme ça mhm. psychologiquement mu paré pour éviter yenn

C'est votre émission, La Parole aux Jeunes. La Parole aux Jeunes aujourd'hui reçoit euh, les jeunes qui sont dans une structure qui s'appelle Yellow. Yellow comprenez juste la couleur jaune, mais l'association est dénommée Yellow et ils vont nous expliquer que signifie ou quelle est la définition de yellow. De toute façon, ceux qui nous suivent et comprennent l'anglais savent que yellow veut dire tout simplement le jaune. La couleur jaune, une association qui se trouve à padois Buldez. Et nous allons parler des jeunes, des jeunes qui sont au niveau du Padois. Et nous allons parler également de tout ce qui touche ou qui gangrène cette société qui est juvénile, qui se trouve euh, dans ce quartier de Padoa que les gens connaissent. Euh, je vais laisser le micro euh, à nos à nos, à nos chers invités. Ils vont se présenter. Seigne Ça va bien, oui. Ah, ah. Ça va, oui. Mm -hmm. bon Amadou la tudd Amadou il Sadio. Mhm. Amadou yow lan ngay def ci euh, lan moy ce ce rôle ci association bi waaw. l'adjoint du président de la commission santé. sortez si notre euh, je m'appelle Salmana. Mhm. Bah. Salman yow sa rôle ci association bi. Euh, commission extérieure relation extérieure. Uh-huh. Mhm. d'accord qui ci des. Ça va, mhm. bonjour. Bonjour. Moi, c'est Ramatoulaye Ndiaye, chargé des relations extérieures. Chargé des relations extérieures. tu as commencé. Nengen Yellow. Yellow, ça veut dire quoi Yellow, en fait, c'est une association à base communautaire créée depuis 2008. On œuvre pour, pour certaines maladies, par exemple le sida, paludisme, cancer, etc on est à euh, euh, journée mondiale au paludisme bi c'est pas encore fini et est-ce que vous avez organisé des journées ou euh, je sais pas des forums par rapport à ça par rapport au sida Oui oui, on a ah. une fois fait une euh, une journée pareil, c'était même ici à l'école Padoa Buldeuse. c'était par rapport au pistage, dépistage sur le sida, paludisme. On a fait aussi des dons de sang et une consultation gratuite après on a on a fait aussi des médicaments gratuits. dañuy gis ni ils n'acceptent pas le plus souvent de se faire dépister yow lan moy sa xalaat par rapport à ça. Euh, peut-être qu'ils ne ne comprennent pas euh, l'utilité, mm-hmm. l'importance qu'il y qu'il y a dedans. Mm-hmm. Parce que même sur le dara, même sous la haut, si tu ne doutes de rien, mmh. hein, dans la pour comment dirais-je, pour, pour certitude n'est que tu n'as pas la maladie, puisqu'il y a des gens qui ont demandé des rapports sexuels, donc je ne peux pas attraper le sida. Et aussi, il y en a qui ne sont pas sûrs d'eux, ils ont peur, et puis le danger aussi, c'est ça. Ok, au niveau de Padoa buldez il y a bul joxe micro bi amna yu bari yi nga xamne da fi xew te phénomène bi dafa mel ni ñi lay gën di laal grossesse précoce ñi nga xamne également dañuy jur dom di sandi sa su ne ñu woo léeg les journalistes yi ne lan amna ku jur doomam sàndi am na xale yi nga xamne dañu am ay grossesse précoce ba ñu dakh len sen yeen tay association Yelaw ban jangat ngeen def ci lolo euh, bon tu as parfaitement raison loolu c'est un phénomène mu ngi Mhm. actuellement dans dans notre société et puis nous euh, quoi une association nous ngi œuvré lutter contre ça nous avons les les jeunes de di qui euh, instaurer une communication d'abord parce que c'était vraiment intéressant communication entre les jeunes parce mhm. que y en a, jeunes yu bëri yoo ne xamuñu ignore ce qui se passe réellement. dañuy mhm. dem ni rek mais xamuñu lu bëri. Mhm. donc il faut que ñooñu ngay wax ak ñom xam nga nga leen di sensibiliser ci point yu bari de ce fait ñom ñu mëna euh, être euh, conscient de ce qui se passe et et être en mesure d'éviter certains certaines choses quoi. dégg nga soxna si li nga xam ne ko donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette commune dans dans un quartier populaire comme Padoa Buldes bini nii euh, muy phénomène juvénile sexualité bi mu nek lu précoce Té le plus souvent dañuy gis ni parents yi ñom ils ont toujours problème pour mën waxtaan ak seeni i doom yenn euh, yan stratégie ngeen di lal le plus souvent pour expliquer jeune yi phénomène yi nan lañ koy moytandikoo. Voilà, nous savons bien que la communication entre les parents est très difficile en Afrique, mhm. plus particulièrement au Sénégal. Nous avons deux coups du lit Quelquefois, il est difficile qu'un parent puisse cerner son petit-fils ou bien son fils, euh, surtout dans le domaine de la, euh, sexualité. Mhm. Donc, lolo n'est qu'un problème majeur, surtout. Maintenant, association, comme on est entre jeunes, on peut discuter entre nous. Maintenant, c'est sur cette lancée que va se, euh, sur, cette voie que va se lancer cette association qui est Yellow, qu'on euh, a mis au devant de la scène pour euh, qu'elle puisse, puisse discuter direct avec les jeunes. Là, la communication va être plus aisée entre jeunes entre parents et jeunes. je sais que, mhm. par exemple, si je te demande, mhm. euh, en tant que jeune homme, euh, combien de fois as-tu fait des rapports sexuels Je sais que devant le micro, il te sera difficile de me répondre à une telle question. Mais bon, quand on est, quand on a plus de 18 ans ou quand on a 15 ans au Sénégal, mhm. nous savons que les statistiques, ce qu'elles disent, que moi les jeunes sont déjà actifs sexuellement. Ah, ah. Voilà, bon, nous le constatons d'ores et déjà dans les écoles aussi, hein, parce que quelquefois tu parles avec euh, une gamine de, de 16 ans, et elle, elle, elle, elle, elle, semble avoir l'esprit mature, c'est-à-dire de, la sexualité. Alors que, bon, à, cet âge, on, euh, on, on, se dit que cette fille ou bien cette petite n'a pas cette maturité, mais quand on parle avec elle, on sait au fond qu'elle a cette maturité sexuelle. Donc c'est ce qui fait qu'à chaque fois, quand on, quand on veut euh, en parler avec les parents, bon, on, se, on se sent gêné parce qu'on ne voudrait pas que nos parents sachent ce que nous faisons euh, à l'extérieur. alors que ñu ngi koy voilà alors que ñu ngi koy def alors que ñu de koy def soxna si yow de nga joxaat ko micro bi wax am solo mooy ndaw ñi ils sont sexuellement actifs Mais. Euh, mais te euh, parents yi ñoom da ngeen di pour bañ ñoom ñu gis loolu ci comprendre nga alors que vous êtes une association pour dire mes frères dindi loolu manam faire des jeunes yi ñu sexuellement actifs mais tay est-ce que c'est pas un peu contradictoire par exemple que jeunes yi la façon de vous habiller la façon de vous exhiber euh, am na lu bari li nga day un peu ni vous avez cette envie euh, même sous des de vouloir faire des relations sexuelles. comme on le fait déjà si école yi ñu génnee ay et tout. Mhm. c'est bien aussi ñu ngi pour lolu mais parents aussi dañu wara sétlu communication bi di daw ñu bañ considérer comme étant ay sujet tabou. Mhm. affaire sexualité ngay wax ak sa surtout les bu tollé ci sont âge ngeen a nga expliquer yu bari mu xam ko comme ça mhm. psychologiquement mu pour éviter les Oui. aussi éviter comme étant sa sœur quoi ah, je voulais ajouter quelque chose euh, uh-huh. sur ce qu'elle a dit tout à l'heure. Bon, uh-huh. c'est très important ce qu'elle a dit, mais aussi il faudra savoir que quelquefois pour qu'un parent puisse s'aimer, l'éducation de son enfant est très difficile. Mm-hmm. Parce que les enfants, ce qu'ils font à l'extérieur et ce qu'ils font à la maison ne sont pas les mêmes. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Parce que quelquefois, l'enfant peut avoir une autre image à l'extérieur et venir à la maison changer d'image. Quelquefois, on voit même des filles qui, qui, qui s'habillent de, façon la maison, mais quand elles sortent de la maison, elles s'habillent de façon extraordinaire. Ok. Bon, c'est pourquoi les parents, quelquefois, n'ont pas d'informations suffisantes euh, sur, sur, la dérive de, leur enfant, de leurs mhm. enfants okay. qui pose problème quelquefois. Mm. C'est là où l'association Yellow va œuvrer maintenant pour changer le comportement des jeunes. Vous aimez vous habiller, dans une bague de sol sexy, mais ça a eu problème vous dites aux garçons que nous avons arrêté bob. Maman, je pense que l'olive c'est éducation là. Mm-hmm. sérieusement, bon, mais ça wala même pas sa papa sax mais sa yaay yaay ak dom war nañ am benn communication boo xam ne kenn mënu dugg seen parce que sa yaay bu gisee nga sol dara war na la mën a woo à bas âge nga koy commencé parce que gis na fi ay xale yoo xam ne léegi xale yi dañuy def yu fu mag di def ay chignon di def ay óor foofu la ñuy commencé nag di tàmm di imiter seen mag yi wala genre alors que boo nekkee jigéen sa yaay war na am communication boo xam ne dina toog boo solee lii mu wax ko boo duggee ci kër gi sol lii nga génn jàngi dina la surveiller personnellement man sama cas sama yaay noonu lay def. Mhm. su ba sama école daf may topp chaque fois chaque wala chaque fin de semaine mingi suis sama école di wax ak je suis dina xam luma sol vérifier sama sac et tout je pense que dans éducation lolu yeb éducation ba les jeunes ils sont mal informés motax yelo a si affaire de communication le gëna mëna base pour mëna des def lien entre jeunesse bi ak ñun liñ di sensibiliser tout parce que communication moy base u lépp. dañ wax ni souvent ci sen organisation yi ngeen di des préservatifs est-ce que c'est pas encore inciter les jeunes à la débauche. Mm, ben, mm, non, non. J'ai tout à fait le contraire. Mhm. Oui, parce que nous, étant conscients de ce qui se passe réellement, si société. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la ah ben, société Comme tu l'as dit tout à l'heure, mhm. les jeunes sont sexuellement actifs, tout le mhm. monde le sait. Même les gamins et les gamines. Et vous pensez que donner des préservatifs, moi, règle le problème Non, mais ben, avant ñu lay donner préservatif dinañ la wax nga éviter ko parce que ñun dañuy sensibiliser di len ko téré di len xamal ni risques yu ñuy courir. derrière tout ça D'abord. bon abstinence bi nag mënuñu len obliger ñu def ko xam nga kenn mënalu len dara puisque parents yi sax dañuy def lu nekk. Mmh. à leur insu. Mmh. donc bu ñuy distribuer nak pour euh, pour euh, comment dirais-je pour aar leen la. Et non pas pour les inciter vraiment. Mm -hmm. arts Parce que... Euh, moi, de toute façon, si on me dirait préservatif, je vais utiliser. Je vais pas prendre le préservatif et le garder chez moi comme ben, comme ben meuble, non. Euh... <laughs> c'est là où le débat est un peu contradictoire. Uh-huh. parce que moi, je ne comprends pas ah, une association qui dit que une a changer le comportement des jeunes. Hmm. Après, vous vous permettez de distribuer des préservatifs aux jeunes. Voilà, bon, c'est une, c'est pas une vraie, c'est pas une euh, contradiction au vrai sens du mot. Ok. Mais bon, on croirait que c'est une contradiction alors que tel n'est pas le cas. Parce que dès l'instant que les jeunes sont sexuellement actifs, et on sait que ils font des rapports sexuels sans se protéger. Mhm. Maintenant, au cours de ces rapports sexuels, c'est là où Yellow va intervenir. dès l'instant que l'enfant ou bien le, euh, jeune commence à, entretenir des rapports sexuels mhm. sans se protéger, Yellow va intervenir pour lui dire qu'il faudra maintenant utiliser, comme dès, l'instant que tu as commencé à faire des rapports et tu t'en arrêteras pas là, utilise le préservatif pour te protéger contre autre chose que le VIH par exemple autre chose que de faire l'amour est-ce que Yann vous avez fait le constat parce que qu'est-ce que le préservatif bi c'est vrai parce qu'ils l'ont vu mm. préservatif vous avez mis ça à mm. leur disposition ils sont intéressés par ce que vous êtes en train de faire mais ils ont beaucoup plus pris les les préservatifs je pense que le comme l'a dit Amadou ben côté tamit parce que c'est comme si que dañ leen parce que am na ay góor yoo xam ne bu ñu gisee ngay jaay préservatif du jël ko parce que dañuy li mais dañuy bëgg profiter si. Mhm. parce que même pharmacie yi am na ñoo xam ne dañuy rus dem di naan pour nga jaay ma préservatif dañ koy def en cachette waaw ci mhm. fii dañ koy maye donc fii bu ñu gisee ñu koy def nii dañuy ñëw jël te man je pense que ni ñun bu doon suñu sago duñu jaay ay duñu ñu joxe nii di distribuer ay préservatif nii ouvertement. c' est parce que c' est la réalité faut qu'on en parle parce que su dul loolu jeunes yi bu ñu deful loolu dinañ dem defi ko feneen te mhm. mieux vaut se protéger protéger que ngay dem nak di lor sa bop si lo xamné amna ay contraception d'urgence pour les jeunes filles et tout mën nga ko éviter c'est mieux daal que voilà ah mu ngi dugg ci benen débat mu ngi contraception d'urgence donc ce qui veut dire que vous proposez aussi aux jeunes filles des méthodes de contraception d'urgence Ouais mais bon d'une part en fait d'une part d'accord de toute façon nous aurons enceinte à uh-huh. bas âge surtout pour les jeunes filles c'est pas du tout bon. femme mu ci bëgg a yokk donc. Uh-huh. Euh, boo gisee jeunes yi bu ñuy distribuer préservatif ñu ngi ciy intéressé wu. c'est parce qu'ils sont intéressés à la sexualité. ok bon je me dis que ni koo xamante ne loolu ñoru ko bu romboon ñuy maye fii ay saako préservatif day romb dem yoonam. mais léegi leen di jox dig daje yéen ñi nga xam ne yéen ak ñu nekk di seetaan ci carapide.com ci émission et nous allons revenir sur les contraceptions elle a brossé elle l'a dit tout à l'heure les contraceptions d'urgence les filles l'utilisent les contraceptions tout court c'est comme un préservatif donc nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro de votre émission La Parole aux jeunes ciao à la semaine prochaine.